The forum district local. The forum The forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous écouter à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et des localités d'Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozérine, Magaria, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum d'aujourd'hui traite en grande partie de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel hier à Niamey. Sa visite euh, vise officiellement à renforcer la coopération nigéro-allemande. Mais ce qui retient l'attention, c'est surtout l'installation d'une base militaire allemande au Niger, à l'image de la France et des États-Unis. Non, il ne s'agit pas d'une base militaire, explique le président Mamadou Souvou, mais d'une facilité accordée à l'Allemagne pour qu'un centre logistique puisse être installé au Niger, l'Allemagne intervenant au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Une base allemande au Niger, la polémique fait rage. Il y en a qui estiment que c'est une bonne chose, comme le directeur de publication du journal L'événement, Moussaksar, pour qui le Niger est réellement menacé dans sa sécurité et donc a besoin d'aide des puissances étrangères. Nassir Seydou, président de la Voix des Sans-Voix, acteur de la société civile, ne voit pas, lui, l'utilité pratique de ces bases étrangères puisqu'elles n'ont pas permis de ramener la sécurité comme les Nigériens le veulent. Autre intervention, celle de Maman Sani Adamou, c'est un spécialiste des questions sécuritaires. Pour lui, la visite d'Angela Merkel s'inscrit dans la stratégie Sahel de l'Union européenne dont l'Allemagne est le moteur. Elle est donc venue parler de sécurité et de lutte contre le terrorisme. la chancelière allemande Angela Merkel était hier à Niamey dans le cadre d'une visite de 24 heures. Les discussions avec euh, le président du Niger ont tourné autour des défis sécuritaires notamment qui préoccupent les deux pays, le Niger et l'Allemagne. Je vous propose de suivre tout de suite l'analyse du président Issoufou sur la question sécuritaire. Par rapport aux défis sécuritaires, euh, tout le monde sait que le Niger a à ses frontières des menaces, euh, menaces à la frontière avec la Libye, menace euh, à sa frontière avec le Mali, menace euh, à sa frontière dans le bassin euh, du lac Tchad. Donc nous sommes sur trois fronts et là également nous souhaitons bien sûr que l'Allemagne nous soutienne. Elle le fait déjà parce que le soutien qu'elle apporte à la MINUSMA au Mali est un soutien qu'elle apporte à la sécurité du Niger. Parce que l'attaque qu'on a connue, par exemple, le 6 euh, octobre passé, c'est une attaque qui est venue du Mali. Donc régler le problème de la sécurité au Mali, c'est contribuer à régler ce problème de la sécurité également au Niger. Et donc nous saluons la décision que la chancelière a prise d'envoyer un contingent de 650 hommes euh, au Mali. Et c'est tout naturellement que le Niger a accepté de donner des facilités euh, à l'Allemagne ici pour qu'il y ait un centre logistique qui puisse appuyer le contingent de 650 hommes que l'Allemagne a décidé de mettre en place euh, euh, donc euh, au Mali. Donc nous saluons cet appui que l'Allemagne apporte à la sécurité au Mali et donc à la sécurité régionale et par conséquent à la sécurité du Niger. L'intervention du président Issoufou sur les défis sécuritaires euh, qui engagent l'Allemagne et le Niger notamment. Il faut dire qu'à l'issue de cette visite de la chancelière allemande Angela Merkel, une conférence de presse conjointe a été organisée et en marge de cette conférence, le président de la République, Issouf Mamadou, a précisé que l'Allemagne n'a pas vocation d'installer une base militaire au Niger, comme c'est le débat, mais juste un point de ravitaillement des 650 militaires allemands basé au Mali dans le cadre de la force Barkhane, de la force MINUSMA. Alors, je vous propose de suivre le président Issoufou sur cette question. L'Allemagne a décidé d'envoyer 650 hommes en appui à la MINUSMA pour approvisionner, pour la logistique. L'Allemagne a besoin du Niger pour l'aider à approvisionner régulièrement ces 650 hommes qui sont euh, au Mali. Les Allemands donc sont présents au Mali et non pas au Niger. Parce que les gens amplifient parfois, oui, il y a une nouvelle base, après la base américaine, après la base française, il y a une nouvelle base allemande euh, à Niamey. Il y a un centre logistique à Niamey pour soutenir les 650 soldats allemands qui sont présents dans l'aménagement au Mali. Voilà la vérité et je pense que euh, on ne peut que remercier euh, la chancelière pour avoir pris cette décision extrêmement importante pour la, sécurité régionale et en particulier pour la sécurité du Niger. Alors sur cette question de base militaire allemande au Niger, le débat fait rage et la polémique est très vive, ainsi abordant dans le sens du président Issoufou le directeur de publication du bi de l'événement pense que les pays du Sahel, dont notamment le Niger, sont confrontés des années durant, durant à des défis sécuritaires majeurs avec la multiplication des attaques terroristes. Et pour en finir, selon Moussaksar, la contribution des puissances étrangères est plus que nécessaire pour des pays comme le Niger pour la sécurisation de leur espace. Je vous propose de suivre Moussaksar. Il était joint cet après-midi par Mokhtar Hamadou je dois vous dire qu'on est mal loti. Hein. si vous regardez euh, au sud, nous sommes euh, confrontés à la secte Boko Haram, où euh, il y a eu beaucoup d'opérations militaires qui se sont soldées par la mort de soldats nigériens. Et vous avez également la situation en Libye qui n'est pas stabilisée avec ce qui se passe au nord de, ce pays, surtout au sud libyen, qui risque d'avoir des répercussions sur le Niger. Alors, euh, la dernière situation, c'est celle du Mali, où, avec cette frontière, avec ce pays-là, nous n'arrivons pas, du fait qu'il n'y ait, pas la présence de l'État au nord du Mali, et ça a des répercussions sur le Niger, et c'est ce qui s'est passé tout récemment euh, lors de l'attaque euh, d'un site où 22 soldats nigériens ont trouvé la mort à Tigalit. Moussa Ksara, les étrangers s'intéressent beaucoup à la situation sécuritaire au Sahel et au Niger, notamment à travers la présence française euh, des Américains et tout prochainement euh, les Allemands à travers euh, un centre logistique. Que pensez-vous de cette situation Écoutez, nous avons un, territoire très bas. Nous ne pouvons pas, avec nos maigres moyens, le contrôler. J'entends par-ci, par-là. Euh, les gens désapprouvaient euh, euh, cette présence étrangère. Mais il se trouve que le Niger est un verrou essentiel dans la lutte contre le, terrorisme. Vous voyez, le Niger, tant bien que mal, essaie de clier pas ce cordon qui va du Nigeria au centre, où normalement on trouvera Acme, et ça continuera jusqu'à l'État islamique, c'est-à-dire ce, serpent-là qui risque de se constituer. Et ça, le Niger occupe une place importante pour qu'il n'y ait pas cette colonne vertébrale qu'on peut plus contrôler. C'est pour cela euh, les puissances étrangères ont compris le rôle du Niger. Et c'est pour cela aussi euh, qu'elles viennent, ces puissances-là, qu'elles viennent plutôt euh, nous aider à ce qu'il n'y ait pas euh, cette colonne vertébrale. Donc c'est ce qu'explique la présence de ces puissances-là, notamment des Américains. Et vous avez les Français qui ont des bases un peu au moins deux bases, euh, notamment la plus grande à, avec l'opération Barkhane. Et vous avez aussi les Allemands qui veulent euh, euh, apporter leur contribution en créant une base logistique pour aider à stabiliser le Mali. Tant qu'il n'y a pas cette stabilisation du Mali, nous aurons encore des problèmes au Niger. Alors, euh, Moussa Ksara, est-ce que la présence des étrangers au Niger est efficace, surtout quand on sait que malgré tout, les attaques se sont multipliées ces derniers mois, notamment à Tessalit, à Bosso, etc. Il y, a, la complicité de, populations, euh, aussi de certaines euh, populations qui sont dominées avec ces terroristes-là. Ce n'est pas cette présence qui va endiguer le, le terrorisme mais ils nous aident vraiment avec leur expérience dans cette lutte. Vous vous rappelez même à Paris même, il y a eu des attentats terroristes. Donc, l'une n'est épargnée. C'est ces terroristes, même une guerre asymétrique, c'est pas comme les rébellions que le Niger a, connu euh, connues par le passé. C'est une guerre asymétrique. Et là, nul n'est épargné. Vous avez les grandes puissances aussi et ont été attaquées en plein cœur de leur euh, capitale. Vous vous rappelez, New York, Paris, en Égypte, euh, un peu partout, les gens ont été attaqués. Donc, c'est très difficile. C'est un combat euh, vraiment de longue haleine qu'il faut mener. Et je pense qu'il ne faut pas que les populations, euh, que certaines personnes découragent les forces de défense et de sécurité, surtout en ce moment. Sarr, selon vous, que faut-il faire pour euh, parvenir à bout de ces criminels terroristes Vous savez, il y, a deux. éviter qu'il y ait toujours, c'est leur jonction avec euh, les, narcotrafiquants et ceux qui s'adonnent à des trafics de tout genre. Et aussi sensibiliser la populations, euh, Vous avez vu ça porter ce fruit euh, dans le lieu de la Tchad que j'ai visité récemment. Ça porté ce fruit, c'est les populations qui dénoncent les terroristes. Je pense que il faudrait continuer à sensibiliser les, les populations à travers les éléments, à travers les chefs traditionnels, aussi des actions de, de sensibilisation aussi euh, euh, à long terme. À long terme et aussi euh, et, appuyer ces populations-là en créant des, des, microcrédits pour qu'elles pour qu'elles puissent vraiment avoir le minimum vital. Moussa Aksar, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà l'analyse du directeur de publication, le journal L'événement, sur euh, l'installation d'une base militaire allemande au Niger où, pour reprendre euh, le président, les propos du président Issoufou sur la facilité accordée à l'Allemagne pour la mise en place d'un centre logistique, l'Allemagne intervenant au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Base militaire allemande ou centre logistique, dans les deux cas, l'acteur de la société civile, président de la Voix des 100 voix Nassir Sedou, euh, celui, lui, ne voit pas, euh, en tout cas, l'utilité pratique de ces bases étrangères, puisqu'elles n'ont pas permis de ramener la sécurité comme les Nigériens le veulent. Je vous propose de le suivre les Nigériens sont euh, obligés d'assimiler ça aux bases militaires françaises et américaines parce que ne pouvons pas faire véritablement la distinction entre ce que c'est. Il faut rappeler en amont que ces bases militaires américaines et françaises, les Nigériens n'en ont pas vu véritablement une utilité pratique puisque le rapprochement que les gens font, c'est qu'ils se disent que ces, ces bases étaient là quand il y a eu l'attaque de Bosso, ces bases étaient là quand les terroristes ont quitté le Mali pour venir euh, assassiner nos, nos, militaires au niveau de Tazalik. Donc, voyez-vous, c'est tout à fait légitime et légal que les Nigériens soient sceptiques vis-à-vis de l'installation de ce qu'il faut appeler base ou centre de, de, renseignement, je ne sais pas. qui est certain, on doit avoir des coopérations qui doivent nous être fructueuses, qui doivent nous servir. On ne peut pas toujours continuer à faire en sorte que, de par euh, notre position stratégique de centre de migration, au niveau de cette migration irrégulière que les gens qu'on soit toujours euh, envahi par euh, d'autres euh, formes de puissance. Il n'y a pas de raison qu'il y ait cette base ou bien ce centre Ce centre, il faut l'appeler centre ou base. Le plus important, c'est que j'ai dit, il faut que ces choses-là soient d'une utilité pratique pour notre pays. En mettant l'accent sur quoi En mettant l'accent sur les renseignements qu'ils peuvent donner à nos forces de défense et de sécurité, en mettant l'accent sur l'appui en formation et en matériel militaire qu'ils peuvent donner à nos forces de défense et de sécurité, afin d'abord de pouvoir sécuriser notre territoire. Et maintenant, le reste, ça peut venir après. Mais si, à lieu et place de ces renseignements et des appuis militaires que nous devons avoir, nous constatons que à chaque fois, malgré leur présence, nous avons des attaques terroristes. On ne peut pas expliquer, et c'est tout à fait normal que je vous dis, les gens soient sceptiques à ce genre de choses. On ne peut pas se leurrer. Ce qu'il faut dire aux Nigériens, c'est que on met beaucoup plus l'accent sur le triptyque migration, sécurité et développement. Ça veut dire quoi Ça veut tout simplement, notre pays étant un terroir de passage de ces migrants, l'Allemagne veut se protéger contre le passage de ces migrants en nous créant les conditions qu'ils nous installe des gens à la recherche de renseignements ou on ne sait quoi, mais qui vont freiner quand même le flux migratoire qui passe par notre pays. Et c'est indéniable. Ce n'est pas parce que véritablement ils sont soucis de nous sécuriser ou ce n'est pas parce qu'ils sont soucis d'autre chose qu'ils vont le faire, mais simplement pour créer les conditions de sécuriser leur territoire, d'empêcher aux migrants d'entrer chez eux. Et voilà pourquoi il faut jeter chez nous les deux signes, sécurité développement pour qu'on puisse montrer que nous aussi nous gagnons quelque chose dedans, pourquoi nous avons le droit d'accepter. Le triptyque par rapport auquel je vous ai entretenu, migration, parce que c'est de, ça qu'elle parle elle-même. Migration, sécurité et développement. Le mot migration, si ça ne les concernait pas, on n'allait pas mettre ça au devant, c'est très clair. Et c'est par rapport à ça que beaucoup de choses seront faites. Elle a parlé de la réduction du chômage et de la stabilisation des jeunes en Afrique. Parce que si on réduisait le chômage, si nos États africains avaient des véritables politiques de stabilisation des jeunes, les jeunes peuvent avoir un travail sur place à faire et ne seront pas tentés d'aller perdre leur vie dans le désert, souvent dans l'eau et autres. je pense que si elle-même, elle a dit qu'ils vont aider nos pays avec euh, l'annonce d'une somme que j je n'ai pas vraiment retenue pour réduire le chômage des jeunes, pour faire ceci, pour faire cela, afin qu'ils soient stables et qu'ils ne quittent pas leur territoire. Est-ce que l'argument selon lequel les forces étrangères doivent venir parce que notre pays est en insécurité tient aujourd'hui Non, ça ne peut pas tenir dans le sens où je vous ai dit, le citoyen qui constate qu'il y a déjà deux bases militaires françaises et américaines qui sont là et qui aussi, avant leur arrivée, en a doivent nous aider à nous protéger et que véritablement on constate qu'il y a de part et d'autre des attaques, qu'ils sont censés donner des renseignements pour qu'on les évite, ils l'ont pas fait. Je pense que c'est difficile encore de convaincre les citoyens qu'une autre base ou comment elle va s'appeler peut venir s'ajouter au lot pour nous sécuriser. Sankara a dit aucun peuple ne peut confier sa sécurité à un autre. C'est vraiment des illusions les gens ne peuvent pas continuer à croire en Afrique que notre sécurité sera assurée par les Occidentaux ou par d'autres pays à travers des bases militaires. Non, ce contre le chômage des jeunes, nous devons armer nos forces de défense et de sécurité les entraîner, les créer les conditions de sécuriser notre territoire, ils vont pouvoir le faire. Ça, c'est indéniable. Il ne faut pas compter sur les autres pour la sécurité de l'Afrique. Ce n'est pas possible. Nous avons été attaqués à plusieurs reprises, donc c'est difficile de faire croire aux Nigériens que ces bases militaires sont là pour nous sécuriser. Au contraire, nous avons estimé qu'à leur absence, notre armée se dépendait beaucoup plus à leur absence, nous étions beaucoup plus sécurisés. Donc, ils sont là pour autre chose. Ils n'ont qu'à dire pour, la, pour pourquoi ils sont là. Mais nous, ce qui est sûr, c'est difficile que les citoyens soient convaincus que ces gens-là sont là pour assurer notre sécurité. Voilà l'acteur de la société civile, le président de la Voix des Sans-Voix, Nassirou Seydou, sur euh, l'installation d'une euh, base militaire allemande au Niger ou un centre logistique. Alors, au-delà de ces deux points de vue, celle de Moussa Aksar, directeur de publication du journal et de l'acteur de la société civile, nous avons approfondi cet aspect d'installation de bases militaires étrangères au Niger en recueillant l'analyse d'un spécialiste de la question sécuritaire. Il s'agit de Maman Sanyadam. Et pour lui, d'abord, la visite d'Angela Merkel au Niger s'inscrit dans la stratégie Sahel de l'Union européenne dont l'Allemagne est le moteur. Elle est donc venue au Niger pour parler de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Nous le suivons. Angela Merkel est venue au Niger euh, dans le cadre euh, de la stratégie Sahel, c'est-à-dire que depuis euh, que l'Union européenne a adopté sa politique étrangère de sécurité et de défense, elle a la possibilité maintenant, elle a une gestion concertée des actions militaires hors de, l'Europe et en particulier en Afrique. Donc avant c'était la France qui agissait seule dans ses anciennes colonies. Aujourd'hui c'est de concert avec l'Union européenne et qui dit Union dit forcément Allemagne parce que c'est le pays dominant de l'Union européenne. Et donc c'est le pays qui est chargé d'impulser euh, cette dynamique. Donc voilà, c'est dans le cadre d'une stratégie euh, déclinée en quatre axes, euh, mais dont la lutte contre le terrorisme et la sécurité constituent les axes principaux. Et évidemment, actualité oblige euh, l'immigration. Au-delà de euh, la coopération bilatérale nigéro-allemande, le véritable problème qui est posé, c'est euh, la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire un euphémisme pour désigner une nouvelle politique de recolonisation du continent africain, comme réponse à la crise dans laquelle se trouvent les pays européens. plusieurs études, que ce soit celle commanditée par le Sénat français en 2013 ou la délégation des affaires stratégiques du ministère français de la France montre qu'il y a une prise de conscience du fait que le centre de gravité de l'économie mondiale s'est tourné vers l'Asie. Un. Hein. Deux, que même les États-Unis sont en déclin. Donc les cinq siècles de domination occidentale sans discontinuer euh, viennent à leur fin. ces, ces siècles s'estompent. Et donc euh, l'Europe elle-même est menacée d'éclatement. Donc ce sont les études de prospective euh, euh, stratégique qui l'ont montré. Euh, et donc la solution, c'est de s'accrocher à ces anciennes colonies. Mais comme il n'y a plus les moyens pour la France de le faire toute seule, il faut le faire dans le cadre de l'Union européenne. Et s'accrocher à ces anciennes colonies, ça veut dire donc revenir en force euh, sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, réinvestir euh, les espaces euh, stratégiquement importants. C'est le cas du Niger, c'est le cas du Mali, c'est le cas du Tchad. Et donc on voit se dessiner euh, une forme de, de, reprise en main de, de nos États par les anciennes puissances coloniales. Dans le cas du Niger, qu'est-ce qu'il faut reprendre en main Dans le cas du Niger, ce processus est très avancé puisque nous sommes véritablement ici en face d'un protectorat. Parce qu'en réalité, euh, ces, institutions qu'on connaissait au 19e siècle sous la forme de protectorat où un État, du point de vue du droit international, un État euh, pouvait euh, léguer, en tout cas déléguer euh, une partie de sa souveraineté, notamment sur des questions comme la défense, à un territoire protecteur, à un État protecteur, c'est exactement ce que nous voyons ici. C'est-à-dire sous le prétexte de lutte contre le terrorisme, en réalité, le Niger n'a plus le contrôle de son territoire, n'a plus de politique extérieure de défense, tout comme d'ailleurs il n'a plus de politique, n'en a pas de politique monétaire à lui seul. En fait, ça veut dire tout simplement que euh, ce que nous nous appelons lutte contre le terrorisme, c'est une intégration du la politique, disons, du Niger dans le cadre d'une politique étrangère de, de, lutte contre le terrorisme définie par les Occidentaux et dans laquelle nous jouons un jeu sur lequel nous n'avons aucune prise. C'est-à-dire que euh, la, seule, la seule retombée pour le, pour, pour, pour le Niger, c'est que euh, son président soit euh, reconnu comme grand serviteur des intérêts occidentaux et donc soutenu pour se maintenir au pouvoir. En dehors de cela, il n'y a aucune autre euh, avancée là-dessus. C'est sur nous que l'Europe compte pour sortir de sa crise structurelle. C'est pas le Niger à quoi, par exemple Le Niger à quoi euh, La présence euh, étrangère au Niger se justifie sur au, moins trois aspects. Un, le Niger extra exploite du pétrole dans l'extrême est du pays, dans une zone qui est très riche en pétrole, qui est le bassin tchadien. Et ce pétrole est exploité par la Chine bloquer la Chine est une des préoccupations à la fois des États-Unis et de l'Union européenne. Mais bloquer la Chine ne peut pas être fait aujourd'hui du point de vue euh, économique, parce que ces deux grandes puissances, l'Europe et les États-Unis, sont en, difficulté. Comment euh, bloquer la Chine ben, En comptant sur la connaissance du terrain que les, les, les puissances occidentales ont, c'est-à-dire la connaissance des hommes qui dirigent, qu'ils ont contribué à installer. Et donc c'est sur ça qu'ils se fondent pour bloquer, gêner la montée en puissance de la Chine dans la région. En même temps, que ça permet, deuxièmement, de d'empêcher qu'il y ait émergence de puissance africaine. La politique, euh, la politique, euh, la vision stratégique de la France a toujours été constante. Prendre, en prendre en main ses anciennes colonies par tous les moyens. Aujourd'hui, c'est crucial de empêcher l'émergence du Nigeria comme puissance. Et vous voyez bien que en installant des bases euh, au Niger, c'est pour bien surveiller ce qui se passe dans le reste du continent. C'est pas seulement pour les besoins de voir quelques, quelques trafiquants de drogue ou, d'armes, non. C'est une position géostratégique qui est occupée. Donc voilà un peu dans quel sens cela se fait. Occuper la région, les États-Unis ont un intérêt, c'est de transférer le commandement militaire euh, euh, des États-Unis, euh, le commandement militaire africain des États-Unis, Africom, en Afrique, parce que ce, euh, cette base militaire se trouve encore en Allemagne aujourd'hui, Stuttgart. Et où on apprend que après Djibouti, la base qui va se développer à Agadez sera l'une des plus importantes. Donc, pour l'Allemagne hein, ou bien les États-Unis. Donc on voit bien que euh, le Niger se sert des stratégies qu'il n'a jamais définies, qu'il n'a pas discutées, qui ne sont pas concertées parce que jamais l'Assemblée n'a été concertée pour discuter de ça. Nous allons y revenir. Euh, pour le cas de l'Allemagne, euh, le président de la République parle d'un centre euh, juste pour voilà, d'un centre logistique pour les militaires allemands. Oui, Qu'est-ce qu'il faut comprendre cela Ça fait sourire. Ça fait sourire parce que c'est justement les mêmes termes qu'il a utilisé lorsqu'il s'agissait de permettre, selon lui, à la France d'avoir une base logistique pour s'investir au Nord donc pour vous, l'Allemagne va avoir une base au Niger C'est tout. Euh, les mêmes arguments ont été avancés. Non, euh, pour intervenir au Normandie, le Niger est plus proche, il faut une base à Niamey. Ce n'est pas une base à Niamey, c'est un dispositif Barkhane qui est là. C'est-à-dire que des bases à Gao, des bases à, Niamey, à Ouaga, euh, pratiquement certain, un certain nombre de bases militaires, euh, dont une à Madama, occupée par la France. Donc, le discours est le même. Oui, c'est une base logistique, mais dans les faits, ce sera une base militaire en bonne et due forme. C'est-à-dire que le, Niger a réalisé la prouesse qu'aucun autre État de l'Afrique n'a faite. C'est d'accueillir gracieusement sur son territoire des bases militaires étrangères. C'est-à-dire que sans discuter ça, même du point de vue formel par ces institutions, sans que l'on sache quel est quels sont les contours des accords qu'il y a eu, et bon, euh, c'est un abandon de souveraineté. Mais il y a une base allemande, bien, ce sera bientôt. Il y a eu déjà les États-Unis, puis la France. pour les cas, les, il y a des Belges. Il y a des Belges qui sont là, invités par la France. D'accord. Mais finalement, euh, mais c'est des intérêts différents quand même. L'Allemagne n'a pas les mêmes intérêts que la France. Non plus pour les États-Unis, avec les États-Unis. Bien sûr. Mais c'est ça qui signifie que le Niger a pris des risques énormes pour son avenir. Parce que, euh, en le faisant, euh, nous ne disposons plus d'État, c'est ça que ça veut dire. Un État qui se respecte a des instruments de souveraineté comme l'armée. <laughs> Notre, nos forces de défense et de sécurité ne peuvent même pas s'approcher de ces bases-là. Quand des conteneurs sont déchargés des avions, aucune autorité ne peut aller voir ce qu'il y a dessus. Ah, c'est quoi ça C'est des États dans un État Comment un pays souverain peut accepter d'aliéner sa souveraineté à ce prix Et sans contrepartie, puisque ça n'a pas fait l'objet de négociations par nos institutions, c'est pour des besoins de se maintenir au pouvoir que nous avons fait ça. Euh, l'un des arguments c'est de dire que le Niger est dans un pays où euh, la sécurité est une préoccupation. Le Niger est menacé. Mais, c'est toute la bande sahélo-saharienne qui est une zone d'insécurité. Mais elle l'était depuis longtemps. Boko Haram a existé depuis 2001. Boko Haram, jusqu'à 2011, ne s'est jamais préoccupé des Nigériens. Et vous pouvez, en tant que journaliste, vous avez le loisir de, de recueillir les informations sur ceux qui vivaient dans cette zone. Ils ont l'habitude d'apercevoir de l'autre côté de la Koumadougou Boko Haram. Mais Boko Haram ne s'est jamais préoccupé de nous. Quand est-ce que Boko Haram s'est préoccupé du Niger Lorsque ses dirigeants ont voulu faire un fonds de commerce de la lutte contre Boko Haram, en s'intégrant dans une stratégie de l'Union européenne et des États-Unis sur laquelle nous n'avons aucune prise et desquels nous attendons des dividendes politiques. Et le dividende politique, c'est le, le, soutien au régime, même pas le soutien au, peuple nigérien, mais au régime. Euh, donc, en faisant cela, nous portons atteinte à l'intégrité, de, de, à, à l'unité de l'Afrique, parce que ces bases-là. Mais, mais c'est pas de gaieté de cœur que des pays comme l'Algérie, des pays comme le Nigeria vont voir et des, des, des troupes militaires étrangères avec des puissants moyens de surveillance électronique, etc., de, de surveillance extérieure, de renseignement et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi ces pays n'ont pas accès chez Alors, à l'avenir, qu'est-ce qu'il faut craindre pour des États comme le Niger Mais pour des États comme le Niger, c'est la, désintégration de l'État. Déjà, euh, cet abandon de souveraineté, nous sommes en train de le faire avec euh, la question de la migration. Qu'est-ce que nous demandons Nous demandons à ce qu'on nous donne de l'argent, des véhicules, pour traquer tous les candidats à, la migration euh, en, Europe. Mais nous ne sommes pas à la frontière de l'Europe. Entre le Niger et l'Europe, il, y a les États du Nord, du Maghreb, il y a la Méditerranée. Au nom de quelle, de quelle logique le Niger va vouloir traquer des candidats soi-disant à, l'immigration européenne. Parce que tous ceux qui vont en Libye ou en Algérie ne, ne, ne vont pas forcément en Europe. Tous les Nigériens qui vont en Libye ça, c'est depuis des siècles. Ils ne vont pas plus loin que la Libye, ils reviennent. Mais aujourd'hui, du simple fait que vous allez, tous les candidats en Afrique de l'Ouest qui veulent traverser le Niger pour aller au nord, sont systématiquement traqués. Et le Niger se, prévaut de ça, comme si c'était une glorieuse, en piétinant le sacro-saint principe de la libre circulation des personnes et des biens, qui est le fondement de la CDAO. Voilà, vous venez de suivre euh, le spécialiste des questions sécuritaires au Niger, Mamman Sani Adamou, sur l'installation des bases militaires étrangères au Niger. Et dans nos prochaines éditions, nous allons continuer les débats avec d'autres analystes, d'autres acteurs. Sachez aussi que le réseau national Dette et développement RNDD Niger, en collaboration avec le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, a organisé il y a deux jours la deuxième université du comité, euh, du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde Afrique. Plusieurs représentants des pays membres de cette organisation ont pris part à cette rencontre et des thématiques variées ont été débattues, notamment la question de la monnaie, la dette et les industries extractives. Sur ce dernier point, euh, nous nous sommes entretenus, avec un des participants et ressortissant d'Arlit qui nous a rendu visite dimanche dans nos locaux, les locaux du studio Kalango. Il s'agit de Hassan Abarchi, coordonnateur du mouvement unique des organisations de la société civile d'Arlit et en même temps coordinateur du RND au titre du département d'Arlit. Suivons-les sur ces questions d'industrie extractive. Nous participons à la deuxième université de la Commission pour l'annulation des dettes injustement donc euh, contractées pour le développement de l'Afrique. De quoi vous débattez Il y a des sous-thèmes. Dans un premier temps, on, on parle donc des relations internationales avec toutes leurs induction économiques sociales et culturelles Nous avons parlé aussi des industries extractives et leur apport sur, euh, pour euh, le bien-être ou le contraire à la population qui est vraiment euh, soumise à cette exploitation des ressources. On a parlé des microcrédits. On a parlé aussi de l'accaparement des terres par les industries et par l'agro-business qui prend vraiment des proportions énormes en Afrique. Et dans le Niger ne peut pas échapper. Donc, euh, d'une façon globale, donc plusieurs sous-thèmes ont été développés et tous vraiment sont d'actualité pour l'Afrique qui a besoin d'émerger malgré les taux dont les superpuissances euh, l'étranglent avec. Ok. Alors, vous avez parlé surtout de l'accaparement des terres. Comment, comment ça se fait là-bas à Arlit C'est une réalité à Arlit, par exemple C'est une réalité parce qu'avec euh, les différents permis miniers attribués de façon vraiment désordonnée, euh, on peut dire que à Arlit, maintenant, les déserts qui auparavant étaient destinés aux activités pastorales dans le cadre d'un élevage intensif est en train de rétrécir son espace parce que c'est plusieurs euh, hectares de périmètres euh, d'exploration qui sont attribués. Et sur ces périmètres, plusieurs activités commencent, comme euh, la prospection. Et la prospection minière fait ressortir en surface donc euh, des résidus radioactifs, parce que c'est euh, de cela que commence l'activité minière proprement dite, quand une fois la teneur du minerai est testée, elle promet pour les futures exploitations. Donc, la, prospection en elle-même oh, est eh, eh, vraiment quelque chose. C'est problème. C'est un problème euh, environnemental parce que les trous laissés sont bien, les laisse à la merci et la boue remontée n'est pas ramassée. Donc, euh, et de là, et les, les sols, l'eau et la végétation est contaminée. Donc, euh, dissiper avec euh, la continuation de ces activités, euh, les terrains déjà dégradés risqueraient de l'être davantage. Et c'est une préoccupation. Il y a combien de, sociétés qui sont en train d'explorer de, actuellement il vous dans, la région, dans la ville d'Agadez Il vous souviendra dans la région le régime des, des À peu près 25 permis miniers, nouveaux permis ont été attribués. Euh, certains sont en phase d'exploration, d'autres même sont à la phase euh, euh, d'exploitation. quand vous prenez par exemple un stade là, quand des permis ont été attribués, rien exploitait un tout petit peu. Donc après, donc l'exploitation s'est intensifiée. Malheureusement, avec euh, l'arrêt des activités, donc rien n'a été fait pour restaurer l'environnement et, et tout est laissé sur place, ce qui constitue un défi majeur pour la dégradation de l'environnement. Maintenant, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a la société Govex qui a déjà fait son atelier de validation et qui passe à la phase d'exploitation, donc avec les permis de Madawila. Donc, euh, pour faire cette phase, il faut faire des sondages un peu partout sur les périmètres acquis. Et ces périmètres, nous, nous les trouvons trop larges parce que euh, on se pose la question si ils sont limités. Partout dans le désert, vous les voyez installés avec leurs machines de foration, avec leurs... Euh, vous avez parlé euh, de ce problème au gouvernement, aux autorités de façon générale Oui, notre activité était de dénoncer cela parce qu'une année, je me rappelle, en 2011, nous avons entrepris une tournée dans tous les départements d'Arlit pour trouver des entreprises, d'autres sont même des entreprises étrangères, telles que les génies, euh, qui euh, font les sondages au sol de telle ou telle euh, société qui a acquis un permis mini. Donc nous avons trouvé jusqu'à trois, plus celles qui a à Arlite, donc qui est fort Elles sont quatre à faire ces activités sur l'étendue du territoire parce que c'est santé qui ont des spécialités pour le faire. Vous avez parlé des conséquences de cette exploration et de cette exploitation des terres. Euh, vous avez parlé du volet environnement. Mais sur le plan euh, activité humaine, comment cela se ressent pour les populations bon, comme c'est une zone pastorale et que euh, l'étendue est très vaste, peut-être ceux qui sont au, à l'endroit où l'activité commence ne feront que vraiment déménager et chercher un autre espace à part. Mais seulement le problème, c'est que euh, le radioactif, vu ses conséquences désastreuses, ne peut épargner ceux qui sont à côté. Aujourd'hui, euh, je pense que la zone euh, du désert reconnue auparavant comme euh, un lieu où l'équilibre de l'écosystème est adéquat est, en train de les perdre. Parce que quand on voit Arlite euh, d'avant l'exploitation minière et Arlite 40 ans après l'exploitation minière, on se rendra compte de ce qui peut nous attendre dans le futur. Et on ne fera que dénoncer pour prévenir donc euh, la catastrophe dans laquelle nous, euh, nous sommes. Quelle est cette catastrophe La catastrophe, elle est sanitaire, elle est environnementale, elle est tout. Pourquoi Parce que tout simplement, eh, la population pour laquelle, lors des audiences publiques d'exploitation, on miroite un avenir certain avec l'exploitation de ces, de ces minéraux, eh, se retrouve vraiment héritière seulement des poussières, de la pauvreté, des maladies liées à l'exploitation de cette recherche eh, radioactive. Donc, nous pensons qu'on n'a pas besoin vraiment d'être trop scientifique pour constater que Arlis traverse vraiment une crise environnementale énorme, euh, une destructuration de, de la société, parce que tout est lié à la mine, mais malheureusement la mine ne nourrit même pas les travailleurs, à plus forte raison nourrir les, la population. Donc, euh, euh, à l'ère où nous vous parlons, avec plusieurs plans qu'ils appellent des redressements économiques. Donc, il y a des licenciements abusifs. Des travailleurs malades ont été congédiés, laissés à leur sort. des euh, entreprises des sous-traitances ont été fabriquées pour euh, faire une forme d'esclavage parce que euh, au départ donc euh, un ouvrier qui travaille pour ces sociétés touche près d'un million, tout, euh, tout intérêt compris euh, par mois. Alors que ce qui les plaît maintenant à travers les entreprises de sous-traitance là ne dépasse pas 100 000 par mois, sans aucune charge euh, prise en charge maladie, sans aucune, dans des conditions de travail vraiment intenables. Donc même là, nous pensons que arriver dans sa seconde phase d'exploitation de l'homme par l'homme, a prévu la sous-traitance pour avoir du minerai à bas prix tout en exposant notre population à plusieurs risques. Voilà, vous venez de suivre Hassan Abarchi, coordonnateur du mouvement unique des organisations de la société civile d'Arlit. Il a participé la semaine passée à Niamey à la deuxième université du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde en collaboration avec le Réseau national d'aide et développement RND Niger, dont il est le coordonnateur dans le département d'Arlit. Alors, avant de clôturer, on va jouer un peu de musique avec euh, Idi Sarti dans ce morceau dédié au vice-champion médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro. Je vais parler du taekwondoïne Abdelrazak Issouf Alfaga. Voilà, de retrouver avec, après ces quelques soucis, un peu de musique, j'allais dire, avec Idi Sarti qui a dédié un morceau au vice-champion médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro, le taekwondoïne Abdelazak Issoufalfaga. Champion d'Afrique eh, eh, suivre Idi Sarki dans un morceau dédié au vice-champion médaillé d'argent aux Jeux Olympiques 2016 de Rio de Janeiro, le taïwanais nigérien Razak Alfaga. Alors sur ce, prend fin ce forum qui a été largement consacré à la visite de la chancelière allemande Angela Merkel hier à euh, à Niamey sa visite vise officiellement à renforcer la coopération nigéro-allemande mais ce qui a beaucoup retenu l'attention, c'est surtout l'installation d'une base militaire allemande au Niger, à l'image de la France et des États-Unis d'Amérique. En tout cas, la polémique euh, suit son cours, mais pour le président de la République, il ne s'agit pas d'une base militaire, mais d'une facilité accordée à l'Allemagne pour qu'un centre logistique, puisse être installé au Niger, l'Allemagne intervenant au Mali dans le cadre de la Merci de nous avoir suivis pour euh, tout ce temps. On se retrouve demain à la même heure et aux mêmes fréquences, mais avec d'autres sujets.